benn situation bi soir mu daal fay top exactement. oui est-ce que exactement Cheikh Omar nga il a le choix. oui mais c'est c'est c' dire xam nga il n'est pas demandeur parce que man batay tey gisuma moom mu ne moo ko demandé. Hmm. le président mo tok wax ne ñu def amnistie dem nañ assemblée nationale. Hmm. on a voté oui j'ai vu la position de de de de Biram Souley. Hmm. qui a dit que si ça permet de libérer des gens qui sont mis en prison. dama ne motax mané ma ne la dafa am ñaari kanam yu nekk ci mbir bi bi nga may laaj question ya mako wax wax permettre de libérer permettre protéger est-ce qu'ils ont le choix. oui mais c'est à dire euh, pour moi, euh, dans la vie on a toujours un choix maintenant chaque choix a des conséquences. C'est aussi simple. Donc la conséquence directe, aujourd'hui, on ne va plus parler de tous ces gens qui sont morts comme ça. Euh, on ne va pas régler ça. Parce que quand la loi sera promulguée, personne n'en parlera il reste au prochain président donc. oui mais est-ce que le euh, prochain président dina ko def loi bi. affaire mais c'est-à-dire man dama bëgg nga xam li fi ma toll. maanaam dafa am ñu ñu faat police Sénégal dañu tok ne gis nañ ko yor ngànnaay ngànnaay bi mu yor du ngànnaayu alkaati ana kooku. la fa numéro 9. oui non bokkul ak numéro 9 bi de. Hmm. amna ku ñu wane won ci autoroute mu yor benn ngànnaay. arme automatique arme de guerre lañ wax. Le numéro 9 là, qui était là, qui est-il Pourquoi on l'a vu à côté de la police Ça mm. aussi, on, nous voulons avoir la vérité sur ça, Djambar. Les gens ont perdu leur famille. Le ministre Dembou, dès qu'il a relaté les faits. Pourtant, c'est lolo, sans que nous vérité, plus de conciliation. Oui. Moi, je suis là, je suis là, je

principe bi ma am laa amoon. Hmm. moi je suis pas d'accord sur cette loi hmm. d'amnistie parce que cette loi d'amnistie elle couvre des crimes qui ont été commis. Hmm. qui ont été commis des gens ont été tués. du ay malaaka ñoo jóge ci kaw asman xala malakal moo di jógewul ci kaw rek yor balu fétal de tirer nit ñi wala ñi ñu torturer Pa ablay Touré ñan ñoko ko dóor yan nerf japp ñoo ko dam dóor dam tankam kan la ku len yabal ku len yoni Amnésie on ne on va pas régler ça léegi nag ku nekk am nga sa sa posture position la la en tant que Cheikh Omar je ne suis pas là pour la position du ministre ou la position d'un député man j'ai ma propre position ma propre lecture. parce que nous, avons géré la commission d'enquête Je moom li nga que la garde des Sceaux est à doo ma yow. d'après ses explications. nous, euh, na nous, euh, ban ko saytoo c'est fait. Euh, gravité bi dafa extrême moral ñu né solution rek amnésie la exactement. alors argument am la nous lu suma argument man. Hmm. les jeunes là. mais euh, mais noo ko exactement. ni moko ko do nek ci manipulation. ni moko ko man la anduma ci li mais mu luma ci man du député voté nañ ko la la ci man li ma mën mooy ma ni man anduma ci anduma ci anduma ci des gens ont perdu leur vie kan mo len boom amna ñu les manifestants ñoo bo amna ñu les forces de défense ñoo où oui la vérité kan mo boobu avant de parler de pardon ou de quoi que ce soit nous exigeons la vérité la lumière que la lumière soit faite sur ça ah oui du ben bakkan du ñaar du ñett du ay kaña du ay mbott ay nit la yu am bakkan ça peut arriver, ça peut m'arriver moi hmm. donc ça veut dire que demain ci walu politique mën nañu rey ay nit après ñu tok def ben loi effacer lolu yépp c'est ce qui me fait mal, c'est ce qui me ronge le cœur, moi. Ah oui, parce que la personne, bon effet a une responsabilité pénale. Mm. Ah oui. Mm. Les gens ont été torturés après le ministre a dit que l'on. le président a dit torture. je t'ai raconté tout à l'heure l'histoire du jeune là qui est venu me voir pour mm. m'expliquer ce qu'il a vécu, pour me montrer les barres de fer qu'il a reçues sur sa tête. tu as écouté son récit. Hein? ak lu mu mënono dafa am dignité humaine même si ñu avons ni dañ ko respecter sa dignité humaine nous nga résister wul nga jël ko après on doit effacer tout ça donc ça veut dire que demain ça peut se reproduire après on va faire une loi d'amnestie. est-ce que c'est on veut on veut faire de nous un peuple amnésique pour hmm. on peut pardonner mais on peut pas oublier mais même le pardon même pour pardonner il faudra qu'on d'abord les responsabilités. Qui est qui, qui a fait quoi Ça, c'est une exigence. Mais, mais, euh, mais, vu que l'Idjal Djal n'a pas parlé. Ok, mais vu que le diable n'a pas parlé, cher Omar, l'OABI, euh, ni après, ni après, Mais est-ce que le prochain président, Bignan, il aura euh, Bok, ses priorités ah, exactement Je ne sais pas mon prochain président parce que je ne sais pas. Mais, mais, mais, à qui peut-je me Est-ce que l'Europe me Bok, ses priorités Mais, je ne sais pas, priorité, que je priorité si yoon ki fi toog mën na normalement bu ñëwee mën na ñëw ñu am yeneen député <laughs> defaat benn élection législative député yooyu ñëw ne ànduñu si woon nañ ko dindi wala député yooyu ñëw dëgg si seen tànk man xaw mais pourtant opposition bi ñëpp ko boycotté su président bu jógee si opposition bi hein? peut-être sûrement ñëpp ko boycotté Khalifa Sall boycotté na ah, mais parce que du intérêt Sonko étant d'autres étant d'autres ay nitam mais euh, euh, mais mais opposition bo gën a wala boy gën a assemblée biñ voté paré lan mo génn lan mo génn. chiffres yi waaw. Ah. c'est tout une majorité sera quelque chose donc quel est l'intérêt de la majorité. Hmm. de faire passer cette loi. C'est cette même majorité qui vient, qui défend bec et ongle cette loi pour dire qu'on doit amnésier.

te juge bi traquer devant les juridictions exactement alors euh, cette réponse bu li nga par euh, PDS concrètement après la tombe justement du verdict fixant la présidentielle le 24 mars 2024. le PDS est toujours dans sa logique euh, à tout prix, ils veulent participer à l'élection. Maintenant, l'IAMNI, c'est en défaveur du PDS parce que euh, avec la date du 24, mm. où on maintient les décisions du Conseil constitutionnel, mm. le Conseil constitutionnel s'est arc-bouté sur ses positions, ça veut dire que le PDS n'aura pas de candidat si vous faites qu'un mot continent. Maintenant, le PDS, c'est un parti structuré. Bah, AMNI, nañ un top ñu topp juge Le juge a un top tamit am na foo il ni mooy il est yi leen war a xanaa est-ce que Pérez day topp lool rek wala day def chaise vide parce que 2019 nekkuñu woon candidat bii nii nekkuñu candidat ban posture lañ war a am ci ci ci ci ci chef politique. mais est-ce que si ay dilatoires. xaar ma seen poids électoral bi ñu am fan lañ ko war a teg man loolu laa loolu laa jàpp nekkul si ay dilatoires euh, accusation yoo xam ni mënuñ see fournir benn preuve. waaw yow toogoo fi léegi-léegi ne accusation yi dañoo accuser conseil constitutionnel. looloo tax mm. président du loolu nga wax fi léegi-léegi. Mm. waaw léegi nañ génnee preuve ñu teg ko ci table ji c'est simple. PDS est un grand parti et ce sera regrettable et triste hmm. que le PDS ne puisse pas participer à des élections. Je rappelle que le Deux a 50 ans. Hmm, deux élections, il fut président ah, oui. le Def boxer. Hmm, le PDS a 50 ans d'existence et que malheureusement, de mon point de vue, euh, Karim Wade déposé une demande euh, de, de sa nationalité. Ce que je ne peux pas comprendre ou admettre moi, pourquoi il l'avait pas fait en 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ensuite Karim bi est koy au Sénégal qui est ko comme français est en tant que ministre sénégalais Karim yore signature Sénégal le ministre de la coopération du Sénégal voilà Hein? Hmm. Il n'a pas choisi d'avoir une mère française. Il aurait pu avoir une mère indienne ou japonaise ou hmm. chinoise. Hmm. Donc, de par nature, sa maman, elle est française. N'est-ce pas Mais Benenbi, tu législation, jour binga de faire renonciation à ta nationalité, mon def le 26 octobre la codef. def. Bu ko législation française dañuy wax jour bi nga la demande de renonciation les gens considérer que tu as renoncé à ta nationalité. Hmm. par conséquent décret bi su ñëwee daf confirmer hmm. maintenant si dans les six mois su fekkee tontuwuñ la ci diiru juróom-benn weer on considère que tu as tu es dessus de ta nationalité ça c'est est hmm. le conseil constitutionnel bi muy jot li mu wax ne ci lay sukkandiku mooy. Euh, déclaration sur l'honneur bu fekkee concerné concerné logique nañ état au Sénégal logique kon bu ñu Rose Wardini dafa def jour. On voit un top Karim Watt, qu'on aussi pour par jour mm. l'état n'est pas allé dans cette logique donc ce qui signifie que tout simplement au moment où le candidat doit être de nationalité exclusivement sénégalaise le conseil concerné au moment de statuer mm. sur Karim Watt, moment Bobu, il était exclusivement de nationalité mm. sénégalaise parce que bi décret bi une équipe équipe du français nous ñu war a xool ni sénégalais la benn bi rek la moment bobu, moment il avait la nationalité sénégalaise. Mm.